forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam. studio Kalangou, 18h passées de 16 minutes, place à présent au forum du studio Kalangou. Merci de rester en notre compagnie. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilaberi, Arlit, Filingué et Niamey. Ah, c'est toujours un plaisir euh, que de vous retrouver, fidèles auditeurs. Nous sommes jeudi 4 août 2016. Ce numéro du forum de studio Kalangu vous est présenté par Diallo Mariama Kenda. Ce soir, nous parlerons de la situation humanitaire euh, à Difa, une région qui fait objet d'attaque de la secte Boko Haram. Au mois de juin, Difa a connu plus d'une attaque, euh, une attaque meurtrière. Quelle est la situation humanitaire actuelle dans cette euh, région quel bilan tirent les acteurs de défense des droits de l'homme dans cette euh, région Enfin, quelles sont les conditions dans lesquelles se trouvent les enfants de DIFA Oui, comme vous le savez, euh, messieurs, dames, bonsoir. Euh, je reçois pour cela ici dans ce studio deux invités pour vous. Je suis avec le coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme, CODE, Kani Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu euh, à nous. Inoussa Sanjori de l'organisation de lutte contre le travail et le trafic euh, des enfants est aussi avec nous. Euh, bonsoir Inoussa Hassan. Bonsoir. Merci aussi d'avoir effectué les déplacements jusqu'au studio au Kalangou. Nous avons donc un troisième invité, mais qui, cette fois-ci donc a, lui qui a été interviewé par notre euh, reporter Tarnan Foudé Ahmed. La ville de Difa donc a été au mois de juin l'objet d'attaques de la secte de Boko Haram, une situation qui a engendré le déplacement de plusieurs personnes et a impacté la situation humanitaire dans cette euh, région. Alors, quelle est actuellement la situation humanitaire à Difa Quel soutien les partenaires humanitaires apportent-ils à ces populations Olivier Eyanga, chargé des affaires humanitaires pour le bureau au Chad d'IFA, joint au téléphone il y a plusieurs jours par Tarnan Foudé Ahmed. Nous allons l'écouter. Oui, euh, comme vous le savez, euh, la situation humanitaire euh, pour l'instant est beaucoup plus marquée par des, besoins euh, un peu croissants euh, qu'on a eu depuis les dernières attaques euh, du mois de, de juin, la mai juin, qui ont entraîné plus de 60 000 personnes qui ont quitté les localités de des et Bosso et qui se sont déplacées du côté de Toumour, Kinchanji, Gary Et ces nouvelles personnes qui sont arrivées ont fait accroître euh, gens qui étaient déjà assez importants au niveau de, la région. Donc pour l'instant, euh, les partenaires humanitaires font face effectivement à ces nouvelles personnes qui sont arrivées, mais aussi aux anciennes personnes qui étaient déjà là, euh, avec euh, dans les différents sites qui sont tout au long de la RMA, mais aussi dans les villages environnants entre, par exemple, Bifa et Bosso, Bifa mais c'est Olivier, les bulletin d'information d'OCHA de juin et juillet évoquent un besoin énorme en eau, hygiène et assainissement. Quelle est la situation dans ces domaines actuellement Pour l'instant, euh, pour faire face aux différents besoins qui sont créés par ces déplacements, euh, les partenaires humanitaires euh, sont pour, train de pouvoir aux besoins en eau en faisant ce que nous appelons le water tracking, c'est-à-dire nous transportons des l'eau dans des camions, des camions qui le long de la RN1, euh, en, moyenne euh, par jour, euh, plus de d'une dizaine de, véhicules citernes font les navettes entre DIFA et les différents sites le long de la RN1 pour desservir en eau à, toutes ces populations dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc effectivement, le besoin continue à être là, mais en même temps, les réponses sont en train d'être euh, apportés, mais euh, comme vous pouvez vous l'imaginer, euh, livrer de l'eau par water tracking constitue un grand défi et il faudrait absolument passer à une étape de, une étape solution durable, d'où la nécessité absolue de pouvoir renforcer notamment les forages et d'autres infrastructures en eau euh, en hygiène et en assainissement afin de pouvoir soulager euh, ces différentes populations. Les populations qui sont dans les différents sites où ils sont logés, paraît-il qu'ils sont exposés au risque des maladies diarrhéiques, euh, choléra, typhoïde et autres. Qu'est-ce que OCHA fait à ce niveau Les risques sont là, certes, mais en même temps, euh, les partenaires euh, humanitaire euh, en soutien aux autorités euh, régionales, notamment la DRC, la Direction régionale de la santé publique, ont déployé des cliniques mobiles pour être tout près de ces différentes populations afin de pouvoir soulager et apporter les premiers soins, les soins de santé primaire à, ces différentes populations. Donc chaque jour, il y a des, cliniques mobiles, des, des structures sanitaires de proximité qui permettent euh, un accès facile à, toutes ces personnes qui sont déplacées pour qu'elles puissent parcourir des longues distances afin d'avoir accès aux, premiers soins et à, côté de euh, la, des, soins de, soins de santé primaire, il y a aussi euh, tout, tout ce qui a été tout ce qui est en train d'être fait par rapport à la santé mentale par rapport aussi euh, à la campagne de vaccination contre la, la qui, vient de couvrir euh, pratiquement euh, toute, toute la région, mais aussi d'autres activités connexes en santé afin de pouvoir soulager cette population. Certes, les besoins, comme je le disais, sont là, mais en même temps, je pense que le besoin, les, réponses des partenaires se mettent en place avec notamment l'approche des, cliniques mobiles sous la direction de, des autorités sanitaires euh, régionales avec l'appui des différents partenaires au niveau de la région. Monsieur Olivier, le 14 juin dernier, le gouvernement nigérien a lancé un appel à la solidarité internationale pour renforcer l'assistance dans ces domaines. Il y a encore 12 euh, autres organisations œuvrant dans le même sens et intervenant surtout dans la région des DIFA qui ont renouvelé cet appel. Est-ce qu'aujourd'hui, OCHA dispose des moyens pour prendre en charge toutes ces populations déplacées qui sont dans la région des DIFA il y a une certitude. Euh, il faut savoir que, comme je l'ai dit en introduction, euh, malheureusement, nous faisons face à des besoins de plus en plus euh, croissants et au même temps, nous sommes, nous, à, un problème des ressources qui sont en limité. Il est évident qu'aujourd'hui, avec les différents déplacements que la région a connue. Euh, ça vient se greffer aussi à une situation euh, en ce qui concerne en tout cas la sécurité alimentaire qui semble être de plus en plus aussi euh, préoccupante. Là, nous suivons avec les autorités de la région euh, la dernière campagne agricole. Les enquêtes sont en cours selon les premières estimations et les premières informations que nous avons, euh, il faudrait absolument que nous puissions disposer de ressources additionnelles afin de pouvoir euh, venir en aide à, à, aux différentes populations qui sont dans la région. Juste une parenthèse pour vous rappeler que euh, la région de Bifra, que qu'on ait une bonne campagne agricole ou une mauvaise campagne, d'habitude, il y avait toujours au moins 20% de la population de cette région euh, euh, euh, de plus de 600 000 personnes, donc 20% qui absolument devraient avoir une assistance alimentaire pour subvenir à, leurs besoins. Et à cela s'ajoute, comme je l'ai dit, aussi ces déplacements. Donc vous pouvez, vous imaginez bien qu'effectivement, le besoin malheureusement continue à être croissant, d'où la nécessité l'appel qui a été lancé récemment par les autorités du pays de pouvoir continuer à soutenir les efforts du gouvernement et aussi que les partenaires puissent avoir suffisamment de ressources afin euh, de, subvenir aux différents besoins qui ne sont que malheureusement croissants au niveau de, de la région. Merci beaucoup, Monsieur Olivier. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Olivier gars chargé des affaires humanitaires pour le bureau OCHA DIFA, joint, je le disais, il y a quelques jours au téléphone par Tarnan Foudet Ahmed. Vous venez d'entendre donc euh, l'entretien que nous a accordé Olivier. Et je me tourne vers euh, vous, euh, coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme, Kani Abdoulaye. Et que pouvez-vous dire par rapport donc à ce que vous venez d'entendre Ok, donc bonsoir et je vous remercie de cette opportunité que vous nous offrez de parler de la situation des droits humains en rapport avec la situation que vit notre pays et surtout dans la région de Difa. Je viens de suivre effectivement le coordonnateur euh, le chargé des, affaires, humanitaires. de OCHA sur la situation que vivent les déplacés et même les populations de DIFA. Je peux vous dire que pour nous, collectifs, ce n'est pas de nouvelles informations parce que nous savons déjà qu'en raison de cette euh, guerre asymétrique que nous oppose que nous impose, j'allais dire, la secte Boko Haram, la situation eh, humanitaire dans cette région est difficile. Déjà en décembre, décembre passé, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie avait entrepris des missions sur le terrain en vue de faire la situation sur euh, les droits humains, surtout en lien avec euh, ce conflit des déplacés, mais aussi des populations et des DIFA. Il se trouve qu'effectivement la situation en son temps était effectivement extrêmement grave, mais à un moment la situation, c'est vrai, avait été du point de vue sécuritaire un peu maîtrisée par les, le, le gouvernement du Niger, qui très certainement est très confiants, étaient partis effectivement, si vous me permettez le terme, dormir sur les royers, jusqu'à ce que la dernière attaque qui est survenue, où on a surpris nos forces de défense et de sécurité dans leur camp, où il y a eu un carnage. Avant cela, effectivement, nous avons pu constater aussi, en rapport toujours avec euh, cette situation, surtout des droits les droits économiques, sociaux et culturels qui sont les plus euh, non respectés dans cette région. On sait que nous avions dénombré en un, certain, moment plusieurs centaines d'écoles qui ne, fonctionnaient pas du fait effectivement de cette situation. Et nous, avions, nous avons toujours, dans cette perspective, très certainement, d'ici septembre, organisé une table ronde des partenaires, surtout qui se trouvent et qui interviennent dans la zone de DIFA autour de cette situation pour que les enfants de DIFA aussi puissent aller à l'école. Parce que pour nous, si on a pu maîtriser la situation et faire en sorte qu'il y ait des élections, parce qu'il y a des gens qui voulaient être représentants de ces régions, il n'y a pas de raison à ce que qu'on ne puisse pas aussi créer les conditions pour que les enfants de cette région puissent aller à l'école. Et les défis sont énormes. Les défis sont énormes parce que, vous savez, lorsque euh, l'État du Niger a demandé, par exemple, à certaines populations de se, déplacer, il n'y avait pas eu de mesures, il n'y avait aucune mesure qui avait été prise, donc les populations se sont déplacées. Comme ça, il a fallu après des bonnes volontés pour mettre à la disposition de l'État du Niger des moyens de transport pour que certaines, euh, et euh, certaines, certains citoyens puissent se déplacer et laissant derrière eux tout ce qui leur appartient comme bien surtout en bétail, en alimentation et tout. Et aujourd'hui, vous avez vu, le Niger va tendre la main à la communauté internationale, à des donneurs, à des bailleurs, pour qu'ils puissent prendre en charge la situation là-bas. Ce qui, de mon point de vue, aujourd'hui, est pour nous est irresponsable. Parce que lorsque vous et, je vais donc recadrer cette, euh, euh, ce que vous êtes en train de dire. Vous nous faites euh, donc d'emblée la situation, le point sur la situation en termes de, droits de l'homme. Mm-hmm. Est-ce que dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce qu'on peut comprendre que cette situation, en réalité, avant donc et, ce, cette guerre euh, donc, que vous venez même de dire, asymétrie que Boko Haram hein, impose à l'État du Niger. Est-ce que cette situation était, était, quelle est, était, quelle est la différence? Est-ce que cette situation était améliorative? Est-ce que cette situation tout à l'heure, vous venez de donner la situation actuelle mm. euh, en termes de droits de l'homme. Est-ce qu'on pouvait dire qu'avant cette situation de Boko Haram, en termes de droits de l'homme, euh, quel est le tableau, le bilan par exemple que vous dressez Oui, mais euh, il, est, clair qu'avant avant cette guerre et aujourd'hui on ne peut pas comparer parce qu'aujourd'hui aujourd'hui et la région de Difa est en état d'urgence. Et lorsque c'est l'état d'urgence, ça veut dire que on met entre guillemets tout ce qui est liberté et dire que c'est les forces de défense et de sécurité qui sont là-bas, qui font la loi. Pas de juges, pas d'institutions judiciaires, c'est eux qui font la loi. Or, avant la guerre, au moins, il n'y avait pas de... Euh, euh, les citoyens pouvaient effectivement d'une manière ou d'une autre s'exprimer. Aujourd'hui, il y a même des aires qui sont imposées pour les aller et revenir, qui font partie des droits les plus fondamentaux les citoyens. Nous allons revenir à, vous, euh, Kani Abdoulaye. Euh, donc, euh, Inoussa Sandjori de l'organisation de lutte contre le travail et le trafic des enfants. Vous avez aussi entendu tout à l'heure euh, Olivier Iyenga, chargé des affaires humanitaires pour le bureau OCHA DIFA. Qu'est-ce que cela vous inspire Bien, vraiment, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et il n'est pas très loin de ce que je pense de la situation à Difa, notamment euh, concernant euh, les femmes et les enfants. Parce que quand il y a des situations de ce genre, des situations de guerre, c'est d'abord les femmes et les enfants qui sont victimes. Et il est bien vrai que euh, il y avait des problèmes de scolarisation à Difa dès le début, mais cette guerre est venue et s'aimer une catastrophe parce que toutes les écoles qui sont euh, le, nom le nom du lac Tchad. Toutes les écoles qui sont le nom de la Komadougou ont été fermées parce que les populations ont été déplacées. Les enseignants sont partis. Donc, même si aujourd'hui, il y a des organisations humanitaires qui essaient donc euh, de recadrer cette situation, elle est tellement grande qu'ils ne peuvent pas. Ils font ce qu'ils peuvent, mais il est évident qu'il y a aujourd'hui des déplacés qui n'ont pas accès à l'école. Mais il y a aussi euh, les écoles temporaires. Oui, je suis d'accord avec vous, mais une école temporaire, vous-même vous dites temporaire. Le temporaire n'est pas définitif. Et même le temporaire, ce n'est pas tous les enfants déplacés qui profitent du temporaire. On le sait, même si eh, il y a des organisations humanitaires qui, qui interviennent, elles n'ont pas les moyens de tout couvrir. Donc aujourd'hui, il y en a qui ont effectivement des écoles temporaires, mais ce n'est pas tous les enfants euh, de DIFA qui ont, qui ont, qui arrivent donc à, à bénéficier de cette éducation temporaire parce que il faut quand même retenir que l'école, l'éducation, elle est obligatoire. L'État a l'obligation d'éduquer tous les enfants. Par rapport donc à, l'éducation, et, nous allons parler de, du budget qui a été alloué à ce secteur qui est de 25 et, Vous, en tant que donc euh, euh, défenseur ou militant, et, qu'est-ce que vous pensez de, de ce budget Bien, 25 c'est important, mais c'est pas suffisant. C'est important, mais malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde, quand on regarde le budget tel qu'il est, ce n'est pas 25% qui sont prévus dans les budgets. Au plus, c'est 14% qui sont prévus. Et même les 14%, comment est faite la répartition Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir. Ces réfugiés-là, est-ce qu'ils profitent de ces 14% Tout ça, c'est des questions qu'il faut vérifier et qu'il faut statuer. Donc, 25% que l'État a annoncé là, il n'a jamais atteint 25%. Vous pouvez vérifier tous les budgets qui ont passé, au plus, c'est 14%. Monsieur Kani Ablai, euh, nous revenons à vous. Qu'est-ce que concrètement vous avez pu constater euh, sur le terrain euh, Sur le terrain, comme je l'ai dit, vous savez, lorsque dans une région, une région surtout emploi à un conflit comme celui que vit les populations de Difa, et que nous sommes en situation, comme je l'ai dit, et où ce n'est plus l'État comme on le dit parce que c'est l'État d'urgence, c'est dire que on, fait un blackout total sur les droits humains. Et lorsqu'il y a un blackout total sur les droits humains, c'est des violations des droits de l'homme qu'on constate ici et là. Et souvent, <laughs> je me demande souvent, des gens nous interpelle pour dire mais pourquoi chaque fois, par exemple, quand on parle de la situation de Difa et qu'on est souvent et le sort souvent qui est réservé surtout aux, Boko Haramistes, que souvent certaines organisations de, de défense des droits de l'homme, que ce soit au niveau national ou au niveau international, souvent, n'est-ce pas, font des dénonciations. Et euh, souvent les, citoyens trouvent que ce n'est pas normal que, ça se passe. Oui, mais nous, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Et lorsque nous constatons qu'il y a une violation des droits de l'homme, quel qu'en soit celui qui, qui a pu la perpétrer, c'est effectivement de pouvoir dénoncer. Et de dénoncer, aujourd'hui, vous savez que euh, lorsque des paisibles citoyens, des gens viennent dans des villages égorger des paisibles citoyens, je me dis, le droit, le premier droit, pour pouvoir d'abord défendre d'abord un droit, il faut que vous-même vous puissiez eh, vivre. Si je n'ai pas, si je ne suis pas en situation de vivre, je ne peux pas pouvoir défendre le droit de quelqu'un. Et pour, de mon point de vue, le droit à la vie doit être un, un droit qui doit être respecté. Et quand vous regardez aujourd'hui dans la situation, aujourd'hui à Difa, vous êtes dans votre sommeil, on vient, on vous décapite au nom, je ne sais de quoi, on vient, on vous décapite. Et ça, c'est une situation de, guerre, entre guillemets, on pourrait le dire, mais euh, d'autres types de, violations hein, de droits euh, de l'homme. Oui, je l'ai dit tout de suite. Ah, euh, lorsque nous sommes dans une situation, comment on appelle ça, d'urgence, les, même les, libertés sont restreintes. Aujourd'hui à Difa, à partir de 19h, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous déplacer. Aujourd'hui à Difa, vous ne pouvez pas vous mouvoir si vous êtes à moto tout de suite, on vous confond à un Boko Haramiste et souvent on tire même sur toi. C'est pour dire que les droits de l'homme les plus élémentaires, les droits de l'homme les plus fondamentaux, aujourd'hui à DIFA, de mon point de vue, ne sont pas garantis. Ne sont pas garantis du fait que l'État a décrété ce qu'on appelle l'état d'urgence là-bas. Et lorsqu'il y a l'état d'urgence, il y a des restrictions de droits de l'homme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Difa. L'état d'urgence pour peut-être euh, garantir la sécurité ou essayer de réinstaller ou de protéger les populations, nous reviendrons à vous, Kani Ablay. Euh, nous poursuivons avec euh, donc Inoussa Sandjori de Holten, l'organisation de lutte contre le travail, le trafic des enfants. On était donc sur l'aspect scolarisation des enfants de DIFA et un aspect nous, interpelle, la situation de la jeune fille à eh, Difa. Bien. Euh, Toujours euh, sur l'aspect de la scolarisation. Oui, bien sûr, parce que vous savez, euh, dans un pays musulman comme le nôtre, quand on parle de, scolarisation, c'est d'abord les garçons qui sont primés, et ensuite les filles. Mais heureusement, aussi bien les filles et les garçons sont autorisés donc à être scolarisés. Donc, en ce qui concerne les filles, vous savez, euh, c'est une zone, euh, la région de Difa, c'est une zone où euh, la religion musulmane est prépondérante. Elle est prépondérante. Donc, par rapport à ça, les parents préfèrent à un certain âge, notamment 12 ans, à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, marier les filles. Parce que Difa n'est pas, pas une région excédentaire du point de vue culture d'abord. Et le plus souvent, ils sont déficitaires. C'est la première chose. La deuxième chose, la région de Difa a beaucoup de frontières avec le Tchad, avec le Nigeria, donc il y a infiltration de part et d'autre. Les jeunes filles ne sont pas en sécurité. Elles ne sont pas en sécurité et si elles ne sont pas en sécurité, les parents ne sont pas prêts également à les laisser donc euh, poursuivre de longues études. Même les garçons, on va en revenir. Même au niveau des garçons, il y a des problèmes, notamment, à plus forte raison, et au niveau des jeunes filles. Et quel type de, de problème au niveau de ces garçons Bon, au niveau des garçons, et il faut dire, même avant ce conflit avec Boko Haram, la scolarité a toujours pris un coup à Difa. Parce que il y a des activités phares qui font, qui permettent aussi bien aux adultes qu'aux enfants d'engranger assez d'argent. C'est notamment le nom de la Comadougou, la culture du poivron, qu'on appelle aujourd'hui or rouge dans la région, et également le nom du lac Tchad, la culture du sorgho. Donc, c'est des cultures, sans oublier bien sûr le poisson. Aujourd'hui, bien que le lac Tchad soit très très loin de Difa, et le transport et le trafic de poisson est très important. Donc ils, cherchent du poisson, du poisson au niveau du lac et on l'exporte au Nigeria. Ça fait vraiment une rente assez importante euh, pour la région de Difa. Aujourd'hui, avec le conflit, donc la situation est plus critique. Tout cela ne marche plus. Comme l'a dit euh, mon petit frère Kani, les gens n'ont plus la possibilité de se déplacer euh, à n'importe quelle heure. Ils n'ont plus la possibilité d'aller vers les champs ils n'ont plus la possibilité de faire du jardinage. Tout ça, c'est interdit. Et parlons donc euh, de, de, la scolarité de ces enfants. Est-ce qu'on pourrait peut-être euh, avoir euh, des chiffres et qui, qui montrent réellement que il y a un taux peut-être d'enfants non scolarisés dans cette région bon, Malheureusement, je ne suis, je me suis pas préparé en question, mais je peux vous dire parce que vous confirmez parce que je suis de la région, donc je sais ce qui se passe. Ces deux, ces deux spéculations notamment euh, la culture du sorgho et la culture euh, du poivron, surtout le poivron. Donc, fait que les enfants sont versés dans les champs de culture et ils arrivent à trouver leur petit lopin pour produire aussi du poivron. À la fin de la saison de culture, ils ont un pactole assez important. Donc, l'enfant qui a l'argent, <laughs> il est tenté de ne plus aller à l'école. On va à l'école pour améliorer ses conditions de vie. Donc, on les a déjà sur le terrain. Vous comprenez Donc, ils font beaucoup plus l'école missionnaire que euh, une école où ils sont assidus. Donc, ça, c'est un, c'est déjà un fléau que nous sommes en train de vouloir combattre au niveau de la région de Difa parce que euh, il faut permettre aux enfants d'aller à l'école. Parce que quand ils seront à l'école, c'est à ce moment peut-être qu'ils pourront améliorer le rendement donc, euh, de ces cultures-là pour avoir encore plus d'argent. Comment donc euh, empêcher ce fléau Nous y reviendrons. Nous, donc, euh, prenons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ipokan. 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97 107.5 FM à Maradi. Sur la radio Garquois 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio je vous rappelle que vous êtes en direct du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou reçoit pour vous euh, deux invités. Kani Abdoulaye, euh, coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et Inoussa Sanjouri de l'organisation de lutte contre le travail et le trafic des enfants. Kani Abdoulaye, euh, nous, vous parliez tout à l'heure de droits économiques bafoués dans, cette région de, Difa. Et est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails J'estime que déjà eh, l'organisation spécialisée, le présentant de l'organisation spécialisée, et, eh, eh, surtout pour les questions de l'enfant, l'a dit aujourd'hui, et déjà, il l'a dit déjà avec du feu de certaines euh, pratiques déjà traditionnelles, les enfants ne partent pas à l'école, ce qui veut dire que c'est déjà là-bas un droit culturel qui est déjà, n'est-ce pas, bafoué. Parce que au Niger, quand même, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et pour nous, normalement, tout enfant qui naît au Niger doit aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et je l'ai dit déjà dans l'introduction préliminaire, nous avons remarqué que, et il l'a confirmé, que beaucoup d'écoles aujourd'hui, du fait non seulement euh, aussi de cette guerre qui vient accentuer, a fait que beaucoup, beaucoup d'écoles sont fermées. Déjà, à ce niveau, c'est un problème. Et on l'a vu de l'autre côté aujourd'hui, et vous savez qu'avec avec euh, la pêche, c'est un moyen pour ces populations de souvenirs à leurs besoins. La pêche, vous savez que la pêche aujourd'hui est interdite dans la région de Difa. Hein. Deux, même ceux qui, qui se donnent à la culture du poivron, aujourd'hui, ont peur d'aller, n'est-ce pas, sur ces champs de, euh, de poivrons par peur que des Boko Haramis vous trouvent et vous décapitent. Et de l'autre côté, ça, c'est du point de vue, de l'autre côté, mais maintenant, du point de vue même de eh, au niveau même de, l'État. Est-ce que l'État, l'État, eh, comment on appelle ça, a pris des moyens, eh, des dispositions, j'allais, j'allais dire, pour qu'effectivement, que les droits, le droit de ces enfants soient respecté soient respectés à l'instar des autres enfants du Niger en voyant toutes ces activités donc euh, interdites, comment vivent ces populations euh, le, chargé de programme de OCHA l'a dit, ces populations vivent dans des conditions de vie très difficiles où c'est la maladie qui les guette, il l'a dit, le choléra et toutes les maladies qui sont liées à l'hygiène et à l'assainissement. Et on l'a et effectivement, on l'a constaté aussi c'est tout du fait du déplacement des populations. Lorsque les populations se déplacent et que vous vous retrouvez souvent dans des camps de déplacés où les conditions, les plis élémentaires d'hygiène ne sont pas respectés, c'est effectivement, c'est la maladie qui vous guette. Et quand vous partez là-bas, c'est effectivement la maladie. Il y a aussi eh, et, en dehors de la, de la situation sanitaire et de la situation de l'école, il y a aussi la situation alimentaire. Parce qu'il y en a qui ont quitté leur village et, laissant derrière eux tout ce qu'ils ont comme provision, tout ce qu'ils ont comme bétail, et qui se sont retrouvés dans des camps de réfugiés, avec sans rien. Et il aurait fallu effectivement que des conditions soient, les conditions minimales soient déterminées pour que effectivement ces populations puissent avoir au moins quelque chose pour effectivement qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Mais l'État les a laissés à la merci, à la, à la, merci des organisations, souvent des organisations dites humanitaires. Et c'est vrai, ces organisations font ce qu'elles peuvent, mais l'État doit s'assumer. Parce que quand même, c'est des citoyens nigériens qui sont là-bas. Et pour lesquels, effectivement, l'État, on, vous avait parlé tout de suite d'inscriptions budgétaires. Ces inscriptions budgétaires sont nationales. Donc l'État devait aussi s'assumer pour faire en sorte que cette situation quand bien même que c'est une situation de crise, c'est une situation de, conflit, une situation de guerre, qu'au moins qu'on puisse leur assurer un minimum pour leur euh, euh, survie. Et c'est effectivement ces conditions qui ne sont pas réunies. Et tout à l'heure, quand vous, au début de cette émission, vous avez dit que l'État nigérien voulait tendre la main, déjà a tendu la main à ces organisations internationales. Est-ce que par cette expression, vous décriez ou dénoncez quelque chose ah oui, mais bien sûr, on ne peut pas, on, ne peut pas euh, un État souverain, un État responsable ne peut pas toujours vouloir, surtout en situation, dans des situations déjà tendre la main, parce que gouverner, comme dira l'autre, c'est quand même prévoir. Oui, il faut, l'État devait faire en sorte qu'effectivement, qu'il y ait au moins, pour le, débit que l'État même ait quelque chose pour ces populations. Mais vous ne pouvez pas demander, par exemple, comme je l'ai dit, à des populations de se déplacer lorsque vous ne pouvez même pas vous-même les faire déplacer. Vous ne pouvez pas les organiser. Vous ne pouvez pas organiser des, des, camps de déplacés et demander, à, et demander à la communauté internationale ou à des organisations humanitaires de s'y planter l'État. Non. Je trouve que ce n'est pas responsable du point de vue État. Et euh, nous revenons à, vous, Inoussa Sanjori, pour parler euh, cette fois-ci euh, de l'aspect sanitaire. Tout à l'heure, Kani Abdoulaye l'a si bien souligné. Pour ces enfants qui vivent à Difa, comment, dans quelles conditions sont ces enfants Bon, j'aurais vraiment souhaité que vous soyez sur le terrain pour voir vous-même ce qui se passe. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que et la, la promiscuité. La, la promiscuité a toujours été vecteur de maladies hygiéniques. Et ces gens, ils vivent dans la promiscuité. Vous avez eh, des, pères de famille qui sont polygames. Un monsieur qui se trouve avec trois quatre femmes, avec une vingtaine ou une trentaine d'enfants, et on lui fait juste, on lui met juste une petite tente pour se caser. Imaginez un peu dans quelle situation on les met. Donc, la situation est tellement compliquée que si vous la voyez vous-même, je vous assure, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que, eh, comme l'a dit mon petit frère, les gens ont tout abandonné, on les a obligés à se déplacer pour être dans des zones qu'on eh, où on passe les mettre en sécurité. Mais là où ils ne sont pas, eh, réellement en sécurité. Donc vraiment, la, la question de promiscuité, elle est permanente. Et quand une promiscuité permanente, il est évident que la question d'hygiène, elle se pose et de manière permanente également. Donc les enfants sont constamment malades, constamment malades parce que d'abord eh, l'eau à boire, elle n'est pas eh, l'eau eh, comment on appelle ça, l'eau hygiénique, elle n'est pas très très fréquente sur les terrains. Il y en a qui arrivent à avoir donc leur robinet et pour en profiter, mais ce n'est pas tous les réfugiés qui arrivent donc à profiter de l'eau potable. Également la question alimentaire, elle est c'est qu'elle est on arrive à distribuer des petites choses aux gens, mais ça ne suffit réellement pas. Parce que les gens sont tellement nombreux qu'on ne peut pas satisfaire donc leurs besoins alimentaires. Donc ils sont dans une situation vraiment critique. La part, euh, en parlant de part de responsabilité tout à l'heure, euh, euh, vous, en tant qu'ONG que faites-vous réellement Ou bien, euh, on sait bien qu'il y a beaucoup euh, d'organisations euh, au Niger. Que font ces ONG pour pouvoir aussi apporter leur contribution dans cette situation Merci, je vais vous le dire. C'est vrai, les, les, ONG nationales, c'est des ONG qui n'ont pas eh, de gros moyens pour faire face à ce genre eh, de situation. Et généralement, nous allons vers les ONG internationales. Nous, nous faisons beaucoup plus de la communication. Nous attirons beaucoup plus l'attention. Nous sommes arrivés aujourd'hui à mobiliser les populations de DIFA pour qu'elles puissent elles-mêmes mieux s'organiser et mieux défendre donc euh, cette situation. Mais malheureusement, on dit à l'impossible nul n'est tenu. Donc quand vous n'avez pas la possibilité de, de, de, de fournir de l'argent ou en tout cas de la nourriture à ces populations-là, il faut aller donc vers des organisations qui, ont, qui sont beaucoup plus nantis et qui ont la possibilité donc d'apporter un peu d'aide à ces populations. Mais je vous assure, la situation n'est pas du tout réalisante. Et est-ce que c'est pas parce que ces ONG en réalité sont, sont, euh, ne convergent pas, ne sont pas ensemble, euh, sont dispersées est-ce que cela ne limite pas l'action des ONG nationales Oui, et ça, sur cet aspect-là, je vous le concède, il est, il est évident que s'il y a une synergie d'action, entre les ONG qui militent donc euh, euh, dans, le même cadre, il est évident que ça aura beaucoup plus d'impact. Ça, c'est une situation malheureusement. nous sommes en train donc de nous grouiller pour pouvoir. Il y en a déjà qui ont fait des cadres, il y en a qui ont fait des réseaux. Lui, c'est, il coordonne un grand réseau. Donc, euh, on est en train d'aller vers ça. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Nous-mêmes, nous avons pris conscience que pour mieux faire, il faut unir les forces. Pour mieux faire, il faut unir les forces, le temps de prendre une courte pause et euh, six minutes pour finir cette émission. Studio Les programmes du Studio Kalangu à Niamey sur la radio Amphani 100 FM et sur la radio Alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Difa sur la radio Amphani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Chirozirine sur la radio Azuru 95.1 FM à Pilengi sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Zender sur la radio Shukra 105.5 FM. Alors, euh, Kania Blay, tout à l'heure, euh, vous avez fait un peu le tour de, ces droits qui ont été bafoués, droits économiques, euh, droits alimentaires. concrètement, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour vraiment faire face à cette situation mm. dans, la région de Difa Ok, déjà nous avons un rapport que nous allons, nous avons élaboré, qui sera publié, qui sera un document de plaidoyer. Et ce plaidoyer, c'est à l'endroit de l'État du Niger, parce que pour nous, comme je l'ai dit, il n'est pas question qu'on puisse effectivement assurer la sécurité pour faire des élections dans cette région et qu'on ne puisse pas assurer la, et la sécurité pour que, de, mon point de vue, pour que les enfants de DIFA aillent à l'école. Hein. Et et vous savez que lors du second passage du Niger à l'examen périodique universel, des recommandations ont été faites à l'État du Niger, surtout sur la sécurité et surtout en lien avec euh, Boko Haram. Et à ce niveau, nous sommes mis effectivement et nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour accompagner la mise en œuvre, accompagner la mise en œuvre de ces recommandations au Niger pour effectivement que atteigner ou pallier aux insuffisances du moment et pour que les souffrances des populations des DIFA puissent être au moins, pour qu'on puisse au moins les diminuer. Et concrètement, comment cela va se faire Et concrètement, comment cela va se faire Je l'ai dit déjà, pour ce que le rapport, c'est un document de plaidoyer qui va nous permettre effectivement de mettre sur la table l'état du Niger, les autres partenaires, à savoir les enseignants, les syndicats des enseignants et tous les autres, toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, que ce soit de, tous les droits, que ce soit l'école, la santé, tout, autour d'une table pour discuter et s'entendre sur ce que l'État doit faire pour qu'effectivement les, euh, les populations de DIFA puissent aussi vivre comme les autres populations des autres parties du Niger. Pour ce qui est, pour ce qui est, de, on appelle ça, de, la mise en œuvre des recommandations, je me réjouis déjà que le Niger, que le gouvernement a déjà mis en place un centre national d'études stratégiques en matière de sécurité et qui a déjà eu eh, un cloque inaugural auquel nous avons déjà participé pour pouvoir effectivement faire des propositions pour que la, sécurité, surtout et la quiétude puisse mm, revenir Merci, sur la région de eh, Merci, M. Kani Nous avons juste une minute, à euh, Inoussa euh, pour que vous... Euh, aussi proposiez des solutions. Merci, vous m'avez réservé une toute petite minute, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, nous nous œuvrons d'abord pour que l'État arrive à lever ces sanctions. Il faut permettre aux populations de Difa d'aller au champ. Il faut permettre aux populations de Difa d'aller au jardin. Et ça, il faut permettre la mobilité des populations de DIFA pour qu'elles puissent elles-mêmes produire ce qu'elles peuvent manger. Parce que l'État ne pourra jamais, parce qu'au-delà de déplacer, je vous informe aujourd'hui que c'est toute la population de la région de DIFA qui est meurtrie, parce qu'il n'y a aucune activité économique. Donc DIFA est en train d'être étranglée. Et pour moi, pour pouvoir lever cet étanglement-là, il faut libérer les sanctions. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement jusqu'au studio Kalangou. Nous étions avec euh, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme, Code Kani Ablaye et Inoussa Sandouri de l'organisation de lutte contre le travail, et le trafic des enfants. Merci infiniment. On se donne rendez-vous euh, à la prochaine fois. Au revoir.